Je rends grâce à Dieu d'abord, comme toujours. Je pense qu'avant tout, il faut remettre les choses au point. Je pense que quand même, comme vous l'avez dit, je pense que nous avons perdu notre premier match contre le Japon. Ah, ça a été un très bon match, un bon contenu, mais malheureusement, sur l'entame de match, on a raté, on a pris un but d'emblée. Après, l'équipe s'est revenue, mais malheureusement, on a créé un nombre incalculable d'occasions, mais on n'est pas arrivé à inscrire un but. Mais comme on dit, tout ça c'est derrière nous. Maintenant, c'est notre match avec notre contexte contre l'équipe d'Israël. Je pense que l'équipe d'Israël aussi a perdu contre la Colombie. Ils, ont, ils ont fait une bonne impression. Donc, c'est une poule où tout est équilibré. Maintenant, nous avons la chance de jouer contre Israël. Maintenant, il n'y a pas mille solutions. Il faut faire tout pour gagner. En tout cas, nous, on est préparés pour ça. Même si on a perdu contre le Japon, l'équipe n'a pas démérité. L'équipe n'a jamais baissé les bras. On a joué, on a créé plus d'occasions contre le Japon. Malheureusement, on a manqué de lucidité devant le but. Mais maintenant, on est resté focus sur le match contre Israël. Et Inch'Allah, nous ferons tout notre possible pour essayer de gagner ce match et pour se replacer, Inch'Allah. Pour le moment, c'est le match qui est là, qui est important. Pour moi, l'autre match n'est pas encore au point pour moi, le plus important, c'est le match de demain qui est devant nous. Donc, il faut tout faire pour gagner ce match. Après, Inch'Allah, on aura le temps de parler sur l'autre match, Inch'Allah. Donc, les santé, yalla, xam nga lepp mom yalla la nit mom day nangul yalla C'est vrai que le premier match bi contre Japon, je n'ai ko perte ko mais buñu xolé ci match bi di nga am ay regrets. parce que xale yi wane ñu ñàkk fayda wane nañu ful ak fayda c'est vrai que dañu yéex du dugg ci match bi moo tax ñu jël mais après bi ñu jëlee bii bi gis nga xale yi war nañu xar kanam bu baax nañu Japon créer ay occasion football football bu baax créé occasion yu bëri mais malheureusement euh, on a on a gâché beaucoup d'occasions et, et l'affaire manque de jeunesse là quoi. Mais Je pense que l'autre précipité ses précipitations ak comme tu bari motax lolu am. Mais je pense que l'autre waxtan nañ ci corriger nañ et je pense qu'on verra un autre Sénégal demain parce que comme niñ koy waxé match yépp c'est suivre mais ne se ressemble jamais. Le jouer Israël bi nga xamné dafa perte contre contre contre Colombie ñu war a déjà ak moom mais ñun dañuy jouer pour gagner parce que ñun sommes match yëpp dañ koy jouer pour gagner match contre Japon perte nañ ko mais ku le match bi xam ne mënoon nañ gagner lu bari donc je pense que ni loolu fait. fi nekk donc amul solution

Thank you.